studio bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed avec moi ce matin Salamatou Kadri. De l'autre côté de la vitre, nous avons Adam Adawa qui à l'édition et Amina Hassan qui assure la technique. Bonjour Salamatou, comment tu vas Je vais bien Habiba, quel est le menu du jour au programme, nous allons tout d'abord ouvrir l'émission par un flash d'information. Après viendra nos rubriques habituelles telles que la rubrique hebdomadaire santé, comme nous sommes mardi, les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangou, la rubrique culture linguistique pour expliquer les mots ou les expressions, la page sport et la rubrique éco de région qui nous amène aujourd'hui à Dosso. Dans la partie entretien de ce mardi, nous parlerons de Mayaki qui joue un rôle important dans la cour du canton. Un entretien qui nous amène à Filengue. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de 100% de la musique nigérienne. Chers auditeurs, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. auditeurs, suivons ensemble le flash d'information avec Nafis et Sirfon. Bonjour Nafis. Bonjour Habiba, bonjour Salamatou. Bonjour Naf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Des ex-combattants du Front patriotique pour la libération ont déposé les armes hier 11 novembre à Agadez. Cette reddition suit celle du, du début novembre où d'autres éléments du FPL, sous la médiation d'acteurs locaux, avaient déjà déposé les armes. Le 3 novembre, Idriss Amadaki, porte-parole du FPL, s'était déjà rendu aux autorités militaires de Madama. D'autres combattants du FPL avaient également remis leurs armes aux autorités le 1er novembre, apportant avec eux plusieurs armes de guerre et munitions. La société nigérienne d'électricité a augmenté sa capacité énergétique avec l'ajout de 18 MW à son réseau de Niamey grâce à la mise en service d'une centrale diesel de 22,5 MW offerte par le Maroc, annonce le journal en ligne Actu Niger. Ce projet est mis en œuvre en seulement 4 mois contre les 18 mois initialement prévus par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc permettra à la Nigélec en charge de la production, du transport et de la distribution d'électricité de répondre plus efficacement aux besoins croissants en électricité de la capitale et des régions riveraines du fleuve. Enfin, le ministre des Transports et de l'équipement colonel-major Salis Mahaman, accompagné du gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omar Tawaye ont visité hier lundi la route à filengye tawa longue de 276 km. Objectif à inspecter les travaux d'aménagement et de butumage de la dite route et les travaux connexes. Il a été constaté que les travaux avancent normalement et ont dépassé les 50%. Le ministre a ainsi donné des instructions sur la suite du projet. Ces travaux sont constitués en trois lots et seront exécutés par des entreprises différentes. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nefissa pour ce flèche d'infos. Merci, bonne suite. Merci. Comme annoncé à l'entame de l'émission, chers auditeurs, notre entretien porte sur le rôle des Meyaki dans les cantons de Tonkandia, département de Filengi. Mais, avant Habiba, écoutons d'abord euh, Yacoub Moumouni Denke Denke qui nous chante Dada kungu kula ga jirbi halda jirbi mai sa tunanli jinna tunanli kula ga kowa kula manin sai ya rayu la balle na mu da dai umma da dai umma da dai umma balle sai ka sinna ku si kala balle sai hello kanto balle da runo le ona ga kwere sa sa ga kane yo wa ga kana yo wa ga kane yo wa ga bona umma ka sintilla la yo me balle Chers auditeurs, Dada est le titre que vous êtes en train de kiffer de son vrai nom Yakubu Moumounidi Denke Denke, né vers 1966 à Atira, région de Tilabéri. C'est un chanteur, compositeur, danseur et flûtiste nigérien. Il fait du jazz et de la musique traditionnelle moderne. Il est leader du groupe de jazz ethnique Mamar Il est l'un des musiciens nigériens les plus connus en dehors du Niger. Chant du répertoire local Peul et Sonrai, tels sont les principaux éléments qui caractérisent les compositions de cet artiste. Et pour couronner le tout, Yacoub Moumouni reflète de par son habillement toute la culture Peul et Sonrai. Yeah, chers auditeurs, c'était les titres d'Ada et Houmé de Yacouba Moumouni. Passons à notre entretien. Dans la chefferie traditionnelle du canton de Tondikendia, dans le département de Filengue, le chef de canton désigne dans sa cour un meyaki pour assurer les affaires courantes de la zone Fandou. Dans ce canton, on dénombre 76 villages administratifs sous la responsabilité du meyaki. À ce sujet, écoutons Jibo Salah au micro de Seydou Abdou Winditan. Mayaki, fondu labo kwarawai kindi iddino kwarawai kindi iddodin borga hausu hausu yango kaci borgo bonkono gano labo goyoga daga ci sai kaini kaina do haraino di ka bordo di boro hiniga hanse bore di cergame zam hino manne kal bore ma hanse cerdi cergame ay kulkan bore hanse cerdi cergame wodi go aban da mo bor sai wato ni cinne ngam ko bonkono do ayo décision kunne shi sambu tanko mo ci bon kono jermu koy abere rano dai di hankan be dai hankan ne bon hawo ai gi cha sai wala in bore samba ado ayo matakan ci ne gogai goro te da ne fondu a banda bore ai wai ne ka inda mun di chatale kai bo so ndu ni gore ya nam du bora kasariya wani filan sini kimi ni bai kan talika asma kan asma kan to ndu ni mo za a tasi yin wadi. mai kuma ya ci da jar mu labo a wannan ir koy labo talfi ga. ngun mm-hmm. no gangu mai ci o da mai ci vote sani no mai ci fo sani no wara kan bon ko no la kalkana ga ngade na ga dan mai ci. mai yaki o ci wai kan gwajin na bandaga. to mai ci o goyi kan gwajin na bandaga ga ci da jangal ta anto Maka bon ko no ga im jangaleta da sanni sanni fo a aga bon kono ga amma a sindin kam yin kuka ga hinga sambu tanku bon kono shi a labari shi kurna san sambu mai ci bon kono gonda alabari no amma hay kurkan ga te bor himga ci ni jin fu na sai da bo shi se o ci bor se wodi no borga te to dan hini fu wodi no mai ya ci eh, no go eh, ganda kan rawo bo hino kan mai ya ci sai daga ci mun ci hini bambat fo na ga re ya Wa kaga bore ce bude da shi am sine ce ci bore da chargame daga ki fe sanno do hare no hije sanni do hare no ngoyinde sanni do hare no wodin mai ya ci ka sabkisi ne ce ci bore di chargame abande mo ko ne labo ganda gai sanni fo an gonu kan ta bi har borgo mara sani fongo kan za to tenu borgo mara to wasu wasu borgo ce ga har ma matkan ce no ba mu sabu ne ce shi borgo shi ga da mu go borgo ne to to zan mu koyi to kuma tana ran gogoy da eh, bonko no wala bonko no fada bore bonko no goye kirga te shi da go mura murada na harai challa abi ce ise jangal ta a abi ce ise filana jangal ta hannu son borgo mte a ne wala proje fogo ka wala hinono te bore muradu ni bore che ona nkulu bonkono aga che se oho ni kul che se e haitan ki bore kan gwaran ce am ci gare n'o da labo bore hmm. marci naran da go goida to wallahi ne har sin da kal kwar ko waye chindi da iddo kwar ko mam inde go goyi lekkal kanera ba ce fu bore man di chare tali bore nge go te lekkal ga moso moso taji kulsi bo di chargam mu do fongo no kan kadden do kor maru a fongo no mo ki don ton de ga bici seno mat kay ci mu de go dan a fon gani kulu maro guno danga par exemple de maire o ga ka wala prefect ga ka wala du yo bambat fo iri kor ko kulsi no ne fondu ngai mom kaka ngai mom kaka tu boro ise gama hankan igishi danga wukan ko jarmu ko telfaranga hmm. aran wudu har ci wukan waran da labi zari cergamara irko dingu bono gada hal hun kundai inda labu zai mai di shattaji fofo su jambo amma kan ga tonan kan karam to koyo do aiwa man tai sai ba ce to danga butun mula har yan gona kan yite kan mai yaki na ofura gina wala matan duk batuyan gona mai yaki na ofura gina busulate danga soda ga ka wal ga ka ma yacuno go organisation kulte mm-hmm. bonkono wogo ci no to bonkono ci ase borengono kan sawara koyan bordega saware haranga bato sulate to mayaci mo gwada diriji kigi tasa danga marka igi bonkon diriji wal matan mayaki tare to hay kuli hinano songo borfongo dirigi borfongo si dirigi wato igor kate wato igor kate zama idi zormu ko umru wate inate Avant de poursuivre notre entretien, marquons une pause pour écouter une deuxième musique de Maliaro avec le titre Mega. Songa ibara gano ture gono Songa ibara gano ture maigai Wayin funai no saramai para Sorbonne, sorbonne. sito ramatu baba mai gai para nai sangai borogona buba mai ga ai bube am tu kurye mai ga blue ne ganaru man ga se se bube mai ga alazi isufu isa ka mai ga mai ga alazi isufu tera mai ga ayo tera mai ga Chers amis fidèles, auditeurs et auditrices, Maïga est le titre de la chanson que vous êtes en train d'écouter de l'artiste Maliaro. De son vrai nom, Abdoulaye Bouraima dit Maliaro est né en 1973 à Silvikwara dans le département de Tera. Il a été couronné plusieurs fois meilleur artiste musicien nigérien et a participé à de nombreux événements culturels dans les pays et même dans le monde entier. kono maiga pura maiga para maiga chibara maiga kono maiga chera maiga para sirti para maiga para Si, si ama sikisai hama, mama na hama, sama. hama. Sila mercy. See. Tamuricha kamera, wonderful kamera, neni ni kamera. Make ko nagu no basi nagu church kuno. Maiga. Sano sai ni tura maiga. Maiga. Sano sai ni raina baba. Maiga. Ayo sauda baba. Maiga. Abdullahi baba. Maiga. Maiga ibandal barka. Maiga. Mere sorwa maiga. Maiga. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Maïga. Place à présent à notre deuxième partie de notre entretien. Maïaki par intérim Jubo revient sur, son rôle et responsabilité d'un Mayaki. Il est toujours au micro de Seidi Abdou Winditan. goy kulga sijan sandai samedi. Hmm. fono ga hinka garu maya bon sandai o ga wala boro shi ma cerse no boro man ma cerse ni be boro shi ma kani nam iman ne kadir boro sasabandi to ni be da ma cerse man te boro shi ma kani an fo an wodi no jambo nama boro man chafu boro fo bin no boro fo mo lakalai ige ni ye ganda no gundu nyuguna to danga nongwa fandu hare ba da yi sandai fusino mm. aran kwar koy margu lokaci ka lokaci wal matan ili kwar koy mo lokaci ka lokaci bore mu fakare jangalo mo hije do hare na wuri ngai do hare ayo kulu zamson baya shin kaina duk kwaro tuni be hasar bobu gon zam kala ita yan wato to ni kin bore ga kwaro ko mar bore de ga fakare zama ai ku kan di jama'a kulun no ga kan jama'a ne boye mce wodi no bore gite danga arma ya tara wara arma hin kirse danga sandai fo kan garu nungo fondo hare karan hin ka bonza kan arma fongo sandai dai kan garu har fongo shi yen jey gono yanzu yi mawadi mace sani man maciri goyno na wadi namsa ruso bai kuda gokanin goyo kan ni te no oho da mai cin gai mai di sande kulkan kan ka gawo kan boshin gabon da amman te jina da to ifo ci hmm. kokari karan wote hay kan charan ma al'umma bon feri eh, amci izo e nare mo bonno amci jangalo do harayno ifo ci eh, wo karan wote lokaci ka lokaci jangalo ba dai so il mai sanno bon il ni da in so beg bore tunendi in so beg bore indi jangalo am jangalo son a lokaci no songono jangal ka ta kan ayinizu go harawo go kadere bo ake haufuni mede korsoral barke go bab agichi hije do hare no ama senni bero de na kan gute ni kan na ro no wate wo bare na re wo bare na ro songo dai afo yangi ize sam kayen go lokol ko ndai nyama sandai bambata dai no aboki akan go lokol kashi biri bash kwari e bai ima san buka ngora konda nyamai dama tezu futu bambata fode ni ada irko dai no bai sando no kirgo gudi illa bora wallahi woy boray didawo watu o bon hawo na taise bon hawo wici nim di lana ko nyima kanda kata kudima da salamo wo kango hiji ora ni ma nyawo na sai subai koi kice ci gunan kan filan kande to da ka fayin hinna ce ci am fa am ko gor nyima to be masal kulman bawo ta lo mo sikal iri windi ko ega ifo ki ta lo wo windi ko ega debbo ni wondo no fondo kal na ka ato akominise yadi ngani be sannu sara wala ni labo sara to ni kan labo sara kulmo kan ci albore no irsi hinir wanda ma kawai bore ci no bore gite to wallahi hadi na gon masal wo bore na wo da mai wai kusi gite se bon hawe kala lokoli ze ki ge sambu gidel da to hadi labu na ge bandu gum gum gum to fonno fo na rango sambu kangana no borai bon fi il gori hinaga cinde zaidi wo borai zai mu ganda wo borai zai wo goro margen na rango tewol kwara ko par na rango bo han fo an il te margen han fo an den ko ko mo de ci singe mo di i ko nge kware ra i to ne ni borai do to ma ci halde ban cien fu no gona kan to ndi fondu alumma do wal fondu ka unanta eh, borai cien o kege te ise de ci haran jiro bora kudi matkan ne jiro te da Eh, haidi namne fondu won fono kul aharo shimoru ido goga ha bore kayen gondi hina im dursan kiri te da counter saison jewgo shi fondu jewgo dingono zankai sidira nan fomo jewgo sudu gute zama haro masal masalbe zama da kan kanga to gande waran shin waran za bo singi jarden tara da de ci so iri goga ha proje ga iri goga ha bore iri irko inoga imu tunu kai boye ma a kan kamura ga saware ga labo irin te jau goyo ne. zam jau goyo hada dai ko te bodu ga te agonda hin fani bo bo ga borga to jangal do harai wat kulur go windu koy jinda bandaga bai kurkan irko no fondo muramte annigi ngi o bana haran o kai irgo dai hango ga jina irma shin tingi di mat kan no haya halo goda dai di yambon kai alhamdulillah Chers auditeurs, c'était l'entretien du jour. On prend une courte pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé de 23 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Les Niger sur Kalongo consacrée au sujet santé. Un accident, vasculaire cérébral ou AVC, communément appelé attaque cérébrale, est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau. Certaines personnes développent des signes annonciateurs selon le docteur Souley Kimba, cardiologue, et le au micro de Rukayatou Abdraman. Docteur, quels sont euh, les signes annonciateurs d'un accident cérébral vasculaire Cette maladie-là peut survenir à tout moment, à tout lieu. Et le plus souvent, chez certaines personnes, on a des signes annonciateurs. Le plus souvent, c'est des euh, signes neurologiques passagers. Le plus souvent, la personne euh, d'un coup ne voit plus. Ou bien la personne est là, elle ne pourra plus parler donc une dyserterie ou une aphasie transitoire. Ça peut être aussi un déficit moteur. La personne ne pourra plus soulever un membre ou des fourmillements dans les membres. Donc, ces signes-là, ce sont des symptômes annonciateurs d'un accident vasculaire cérébral. Parce que quand l'accident vasculaire cérébral va être constitué, ce signe devient permanent les, médecins euh, recommandent souvent de faire euh, euh, du sport pour éviter l'AVC, mais on peut constater des personnes qui font une activité physique qui en sont vraiment victimes. Qu'est-ce qui peut expliquer ça Donc effectivement, l'activité physique est un moyen de prévention des maladies cardiovasculaires de manière globale et de l'accident vasculaire cérébral de manière particulière. Un bon régime d'activité physique permet de prendre en charge les facteurs de risque de survie de l'accident vasculaire cérébral. C'est quelqu'un qui est le plus souvent âgé, c'est quelqu'un qui a du cholestérol, c'est quelqu'un qui a des plaques d'athérome un peu, surtout au niveau des artères carotides, c'est quelqu'un qui est hypertendu ou qui est diabétique. Donc, hypertendu mal équilibré, diabétique mal équilibré, quelqu'un qui est obèse avec un indice de masse corporelle qui est supérieur à 30, 34 kg par mètre carré, tout ça là, c'est des gens qui sont à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, si on a ces risques et que on s'adonne à une activité physique sans autant prendre la précaution minimum, on risque de développer effectivement accident vasculaire cérébral. Effectivement, l'exercice physique aussi peut être un mécanisme déclencheur. Les facteurs de risque étant majeurs, la plaque est là constituée. Un petit effort suffisait pour détacher ça, ça va, ça bouche le vaisseau et on développe l'accident vasculaire cérébral. Ou bien le plus souvent, c'est des gens qui ont des pressions artérielles très élevées, qui sont aux alentours de 18-17. Le médecin les explique que l'activité physique permet d'éviter la survenue de l'accident vasculaire cérébral. Euh, tu vas voir les personnes, ils viennent euh, sur le parcours euh, de santé du stade général Sénécoutier. On a l'habitude de ramasser des gens. Les gens, ils viennent, ils s'adonnent à l'activité physique sans autant prendre la précaution minimale. chers auditeurs, partons en musique avec Barakina qui nous chante Chamadralilo. a aje a gaya ma wanda ake so baraki na bawan Allah dan baba da ko yake neman dala yake dan mushe zuba yake neman kudi yake shi ma sha madaran lilo wa ya gaya maka borno gabas take kai maka sha madaran lilo in ka gani ta maka sha ta ka kai daka ba ta sha madaran lilo kai yaro sha madaran lilo kai lati sha madaran lilo

L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu galères, ça se sent. Je suis bon qualité de mer, y'a ceux qui trouvent ça menaçant. Hey, je suis menaçant, pourtant je suis qu'à 10%. baba ka cuce mu kai da ka kai mu kwantagora kwantagora gari ne amma ba garin zuwa ba daga mai shan sai mai shan giya a kwance uwa wata ai uwa ta ce in ta mutu za ta min ciyo ba kombo danse ifo danse danse moko danse Ivô buje Ivô danse ifo den lo shaa'een maata shaama daran liiru intaagan itaa mata jaataka ta'e dhaka baatata shaama daran liiru enyaara kushaa samaari kushaa'een maata shaama daran liiru intaagan itaa mata jaataka ta'e dhaka baatata shaama daran liiru. na cewa ya gaya maka bar na gabas ta mama wa ya gaya maka bar na gabas shayi ko kamar ruwa yake gidan haya ko da wuya yake mota haya ita ko hatsari take ke kama zanen ki ana miki leke sarki kawa ka ta kai muka soki a taka rawa ka abarka ake ki har jani sama kake bar ni in lake hausa muke faɗa muke magana ce muke magana muke sauri muke ba mu zuma barna in ma in zake bar mu je kasa in dora miki in bata kai miki in kara miki layi suke ta yi lodi muke musu rawa suke ta yi sauti ya kai musu da na bada guda ta ce man bata so sai na bada biyar sai na bada biyar ana nan ana nan sai ta kai mu ga gob haba delu a bar haka eh, kin san bani son haka eh, yo mi zai faru mi zai karu a bar ni in tai haka haba delu a bar haka kin san bani son haka yo mi zai faru mi zai karu a bar ni eh, dan baba da koyake nema ndalaye ki dan papa de la maracuxá, só maracujá é mata. Chama garalheiro. Incaganita, macajá, tacateca, cabata. Chama garalheiro. É em aracuxá, só maracujá é mata. Chama garalheiro. Incaganita, macajá, tacateca, cabata. Chama garalheiro. Il faut danser, il faut danser, danser, danser, beaucoup d'élo. Il faut danser, il faut bouger, il faut danser, il faut d'élo, beaucoup d'élo. Il faut bouger, il faut danser, Wadelo, à danser, danser, beaucoup de l'eau. Il faut danser, il faut bouger, il faut danser, Wadelo. Il faut danser, il faut bouger. Wonderful Youssef. Il faut bouger, il faut danser, l'alcool c'est l'eau. L'homme est dit, t'es, t'es, t'es, t'es, t'es, coach. C'est le 227, tu connais le code. C'était Madre Lilo de Barakine en direction d'Osso pour parler du style vestimentaire des jeunes filles et c'est dans la rubrique Éco des régions. En effet, les filles portent souvent le hijab comme habit à la cérémonie de mariage en ville et même dans les écoles. Une situation que certaines personnes jugent inappropriée en raison de la façon dont certaines filles utilisent le hijab pour porter des vêtements contraires à la morale. Notre correspondante de Gaillard, Ramoto Issa Wanke, s'est intéressée sur ce sujet. Je vous propose d'écouter son reportage. A Niger da duk da cewa saka hijabi ya zama wajibi ga 'yan mata a musulunci to sai dai a share ɗaya galibin 'yan mata na ganin saka hijabi ga budurwa na iya hana wasu maza su gane cewa ba matar aure ba ce a cewar 'yan mata rahina. Ni budurwa ce, in zo in saka ijabi wanda ya gane ni yana ce ni mata arameta dan shi ne ka kaga mutum ya sa dikon shi ba a ce mutum ya hudurdu jikin shi waje ba amma dai in kai dan shirin kaka sa dan dikon ka ka hi kyau tun kana baya ma kana walƙiya in an gane ka kana da kyau, ka sa ijabi kana cewa kowa ma bai san ko mutum ya huce ba sannu a hankali dai shigar wasu 'yan mata na daɗa canzawa inda wasu suke saka hijabi har ma da niƙabi lamarin da ya zama tamkar sabon yayi a 'yan shekaru baya bayan nan 'yan mata rufatu mai ra'ayin saka hijabi ce har ma da niƙabi saboda hina biri ina